ñëpp fustigé nañ ko mais lolo, sur le plan éthique et moral rafetul yow président yaa ngi dem ce dernier jour ouvrable Wa, Lolo, nous, nous, nous ci loolu man li may réprouver moi, li mu rafetul loo xamante ni defin bi defin bi dafa war dafa mel ni am lu nekk ci gannaaw parce que principe qui bobu luko successeur décret. non seulement décret bobu mu jël ci ci ci républicaine euh, contrat ñuy wax signé def. à ton successeur. Mm. parce que yow da maintenant cela ne remet pas en cause la légalité pour autant parce que jaar réunir le conseil. réunir le conseil. Mm. Maintenant, son successeur, qui a pris un décret le 3, le 3, man peut-être qu'à l'époque il n'avait pas de conseiller mm. sous Amon, il n'avait pas encore le ministre de la justice Sous il danañ qu'on ne non haral parce que man d'accord nous revenir sur ces décrets mm-hmm. mais Amon dara loo xamante c'est sacré il faut que nous respecter ko. les formalités. mooy les formalités. nommer wala révoquer magistrat conseil supérieur de la magistrature parce que conseil supérieur de la magistrature boobu moom différencier le magistrat ak fonctionnaire ak ministre président ki mu ministre premier ministre mu il n'a de compte à rendre à personne parce que c'est un pouvoir discrétionnaire mais mais mais mais mais mais monsieur Deme tamit balaa ngaa dem la dernière question par exemple tey jii nii bu une idée derrière comme ni nga ko peut-être que le président sortant il a une idée derrière le président entrant il taxaw di xaar formalité est-ce que cette idée derrière qu'il ne comprend pas lui le nouveau président xamul waral parce que acte bi la jaaxal est-ce que bala muy tok di def formalité yoy noonu yëpp amul yu mën jall ci ginnaawam donc mu agir selon l'urgence du moment alors beneen question bi mom moy euh, le ministre de la justice Ousmane Diagne bi nga euh, bokkaloon corporation sa collègue la du sax duma ko conjuguer au passé est-ce que japp nga ne mom par rapport ak euh, posture par rapport ak carrière fim jotta jaar peut-être rencontrer ngeen peut-être rencontrer woko mais bokku ngeen corporation jàpp nga ne def li justice en tant que ministre. waaw naa mujjee euh, sama collègue euh, Ousmane Diagne euh, donc pour wax rek urgence nous justifier la violation de la loi gis nga Pape Moussa Sow état de droit mooy que ñun ñëpp dañoo war a ci droit ci loi. Euh, loi moom moy wara nek suñu kaw ñun ñëpp mo wara a ci président de la république tegu ci ministre bi tegu ci citoyen ordinaire bi motax yenn euh violation yenn excès yi ñu ci régime bee passé du fi amati nañ ci baye xel lool urgence nous justifier nous bannir respecter la loi nous bannir respecter le gars la garantie statutaire bu ëpp solo bu magistrat am qui qui n'est pas nommé comme les autres parce que mon pouvoir la incarné légui nak euh, Ousmane Diagne. Euh, euh, sur ce j'ai entendu dire que si un des magistrats attaque le décret au niveau de la chambre administrative de la cour suprême donc koy ko semé li magistrat attaquer le décret. Moi, ce que j'ai suggéré le président ne, retirer décret parce qu'en réalité man su ko c'est une tâche. c'est une tâche grave hein. Et puis bon euh, su ko retiré je pense que l'UMS va réagir parce que c'est une violation euh, grave de la séparation des pouvoirs et du statut des magistrats. Et l'UMS, article 1, j'ai été secrétaire général adjoint de l'UMS, mhm. l'article 1 du, du, du, du statut de l'UMS, mhm. l'UMS, son premier rôle, c'est de se battre pour euh, l'indépendance de la magistrature. Euh, nous, nous préserver, nous sauvegarder.